li ñuy ñaxtu nii nag mooy fi ñu jaar fi ñu jaaroon bi ñuy départ ca fële ca place publique bi ba ni ñu wëre nii loolu mooy ñi nga xam ne ñoo impacté moo tax ñu leen doon wan point yi loolu nag dafa bokk si mandargaal ne seen dafa wax ne du fi jóg tey du fi jóg suba du fi jóg na suba dañuy rey rek mais duñu fi jóg dëkk bi am ñetti téeméeri at ñu xëy benn bés ñu jël fi 483 hectares ñu bàyyi xam ngeen ne port bu mel nii amul fenn kilomètres yu ñu jël loolu ay impacté ay ay kër la plus de 1000 maisons nga xam ne tey bi ñu ay difficulté ay pêcheurs nekk loolu dañ si génnoon benn bi mooy sama confrère bi wax léegi en français décret boobu la ñu bëgg comme ko bindoo ñu andi na ko defal ñu beneen décret boo wane ne décret bii moo fi jëlee décret bi mooy remplacé këyit emploi bi métti tali nii ba nu toogee ba hivernage bi jot defal ñu ko duñu am fa Moi le président de tous les sénégalais nous waa Sendou mooy jooy faut fi mënee nga fi pour que depuis 2016 jusqu'à nos jours l'ex-président Macky Sall avait pris un décret de 2016 64 portant extension du port qui touchera 250 000 différences. ce qui n'est pas normal nous lui demandons solennellement de prendre un décret pour abroger ce décret de, de plus les terres été jusqu'à nos jours. Et c'est 483 hectares que, le cours a pris, c'est des champs de nos parents. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'indemnité ni de paiement, ce qui n'est pas normal. Ah Aujourd'hui, la, population de Sinou s'est menacée sur le plan sanitaire parce qu'ils ont démoli le poste de santé. n'y n'a plus de poste de, santé depuis 2016, ce qui n'est pas normal. Actuellement, la survie de la population sénouaise s'est menacée parce qu'on a associé la maternité punisse le poste de santé, ce qui n'est pas du tout normal. Ah oui, ah oui, ah oui. Nous lui exigeons directement qu'il parlent parle directement au directeur du corps pour la construction d'un nouveau poste de santé. C'est urgent et ça est dans les plus brefs délais. Sur le plan éducatif, depuis un certain temps, le cours a entamé une nouvelle école pour la construction d'une nouvelle école. Malheureusement, jusqu'à présent, l'engagement n'a pas été respecté parce que les travaux n'ont pas encore terminé. Les enfants souffrent du matin au soir. Euh, actuellement, on est en pré hivernance La population s'est confrontée avec des problèmes de transport parce qu'ils euh, ont coupé la route qui mène barnier Ils n'ont pas encore construit de exigeons directement à, à, à Monsieur Diomaye Faye, son Excellence, de parler directement à Monsieur Dame Diané pour qu'il respecte la population sénoise parce que nous sommes des nous sommes des dignes